forum du le forum forum forum forum Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balkisamidou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivrez sur Alternative 99.4 MHz, Kwartagi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses à des préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu a trait à la loi sur le quota, une loi qui a été initiée en 2000 par le gouvernement à travers le ministère en charge de la promotion de la femme. Elle vise à concrétiser la politique nationale de la promotion et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme CEDEF, toutes deux adoptées par le Niger en 1991. Pour adopter cette loi, les autorités de l'époque se sont basées sur des études de bilan sur la participation politique des femmes au Niger et l'expérience des pays voisins. Après les élections législatives de 1999 où seulement une femme siégeait au Parlement parmi 82 hommes, la prise de conscience de la sous-représentation des femmes dans la vie politique a amorcé un tournant décisif au Niger. C'est ainsi que des réflexions ont commencé à prendre forme pour aboutir à l'adoption de cette loi qui instituant un système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité pour vous Madame Fuma Koinana Aïchetou, ancienne ministre de la promotion de la femme qui a initié la loi sur le quota. Madame Moukaila Aïssa Kariyo, ancienne députée nationale. Monsieur Sabo Seydou, ancienne députée nationale, Madame Barry Bibatanyandou, avocate, ancienne ministre et militante de la cause des femmes. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangu. Comme annoncé, le forum du studio Kalangu a trait à la loi sur le quota, une mesure transitoire qui permet de rehausser le taux des femmes dans les instances de décision du pays. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre le portrait de Madame Fumakoinana Koinana surnommée Maman Kota. Surnommée Maman Kota, suite à ses efforts inlassables pour la cause des femmes jusqu'à l'adoption de la loi sur le quota en 2000, Madame Fumakwainana Koinana mère de cinq garçons, est née en 1950 à Magaria, de la région de Zander. Elle s'est lancée dans la politique au tournant des années 90 avec l'avènement de la démocratie au sein de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama de Mohammed Ousmane. Comme tous les Nigériens, j'ai choisi un parti auquel j'ai adhéré et je me suis dit que c'est une époque où pour casser d'avec certaines discriminations, la politique pourrait être la voie porteuse. Militante chevronnée, elle est élue en février 1993 au titre de la CDS Rahama, chez elle à l'unique femme parmi les 14 députés de sa région. Les moments les plus forts, c'est au niveau des campagnes électorales. Quand par exemple, soit vous êtes candidat ou bien vous soutenez un candidat, il faut être sur le terrain. C'est vraiment énorme comme moyen ça demande de l'énergie, ça demande donc du temps que vous allez y mettre. Et, c'est des responsabilités énormes. C'est un terrain où on a beaucoup d'animosité, des crocs en jambes. Il faut aller dans les réunions tardives, il faut aller dans les voyages, il faut tout le temps on est pris. Maintenant même, on continue à faire le mentorat pour les jeunes qui veulent se lancer dans la politique. Il y a encore des batailles à mener pour qu'il y ait une meilleure visibilité des femmes dans l'arène politique. L'élan là qu'il y avait dans le temps, il s'est quelque peu émoussé. des femmes doivent se ressaisir. Les femmes doivent se dire qu'il n'y a pas de pouvoir de femme sans femme au pouvoir. Et pour qu'il y ait des femmes au pouvoir, il faut que les femmes s'investissent dans les organes décisionnels des partis politiques. En dépit de sa réticence, elle est nommée ministre de la promotion de la femme au sein du gouvernement de transition de Daouda Malawanke. Avec Aïchatou Mindaoudou aux affaires étrangères, elle mène une lutte farouche qui conduit à l'adhésion du Niger à la CEDEV. Avec le régime de Mohamed Tanja en 1999, Madame Fumakwai est reconduite à son poste de ministre de la promotion de la femme, qu'elle occupe jusqu'en 2003. Madame Salmei Berber était sa directrice de la protection de l'enfant. C'est une femme engagée, c'est une femme qui cherche toujours comment aller de l'avant dans la réalisation des droits des femmes, mais aussi ceux des enfants. C'est à son temps qu'on a lancé vraiment le véritable jalon de la promotion de la femme. j'ai travaillé avec elle pendant trois ans jusqu'en 2003. Elle avait fait en sorte que le Niger, que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, CEDEF, donc c'est elle qui a fait en sorte que le Niger a adhéré à cette convention. En 2000, c'est elle qui a initié et défendu devant l'Assemblée pendant des heures jusqu'à tard le soir. Elle a défendu la loi sur le quota. Elle s'est battue pour qu'au moins que la loi sur le quota soit adoptée. Elle est tout le temps à la demande de comment innover. Chaque soir, elle réunit ses directeurs pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut mieux faire Comment améliorer la situation de la femmes. Donc c'est là où le président a fait le programme spécial avec le volet crédit aux femmes. Des fois, on reste tard le soir pour discuter qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Pour les femmes du Niger, vraiment, elles s'est battues et elles continuent à se battre. Tout ce qui cause de la femme et de l'enfant, son temps ne compte pas. Et elle essaie de trouver tout le temps l'occasion de voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et je pense que Madame Fumoko, il n'y a pas deux comme elle, quoi, pour la cause des femmes. En 2000, elle partage avec le président Tanja et le premier ministre Ham Amadou sa conviction que les femmes nigériennes sont sous-représentées. Avec leur soutien, elle introduit un avant-projet de loi sur le quota qui passe en conseil de cabinet, en conseil des ministres puis à l'Assemblée où après une lutte acharnée, la loi est adoptée avec 10% au poste électif et 25% au poste nominatif. Et est-ce que vous voulez réagir Nous allons commencer par M. Sabo Saïdou. Merci beaucoup. Je suis connu au niveau d'abord des syndicats et de la conférence nationale. Donc, euh, puis au ACR, et c'est là-bas que j'ai connu Echetou. Je l'ai connu surtout parce qu'on a partagé sur des questions litigieuses importantes au ACR, importantes même pour la vie de la nation, quoi. On a partagé les mêmes positions. Parce que c'était pas évident lors de cette transition-là, pour certains, qu'on aille aux élections il y en avait un certain nombre qui ne, voulaient surtout pas d'élection. Vous voyez quoi Bon, sur, euh, il y a des questions sur le code électoral euh, sur lesquelles on a partagé les mêmes positions. C'est des questions, pour mon sens, de fond, sur lesquelles on a partagé les mêmes positions. Donc c'est là-bas que Maintenant, pour cette loi-là. Moi, j'étais député à l'Assemblée nationale de l'opposition. Je suis content que ma grande sœur soit là, euh, parce que la grande sœur était aussi de la majorité. Mais ce qui était important pour cette loi, c'était pas une question de majorité, opposition. Vous savez, dans notre pays, moi, je me suis fait quelque peu une religion. Souvent, les questions dites opposition, et euh, majorité, c'est pas des questions de fond. Alors... Le problème, je dirais, traversait tous les partis. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une grande convergence pour qu'on adopte cette loi sur le quota <laughs> avec la motion qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement a mené pour 25, euh, au niveau de l'Assemblée nationale, on a réduit pour 10. Pour comprendre, les députés voyaient, <laughs> ils voyaient leur siège, ils ne voyaient pas la question du progrès. D'accord, nous allons revenir sur tout ça là. Madame Barry, vous avez une réaction par rapport au portrait de Madame Fumakoye ah Oui, j'ai une réaction. Madame Fumakoye, je l'ai rencontré justement en 1990 à l'orée de la conférence nationale, ensemble, nous nous sommes demandé comment faire en sorte que la voix des sans-voix, c'est-à-dire la voix des femmes, soit entendue. C'est dans ce cadre que nous avons créé ensemble le RDFN, le Rassemblement démocratique des femmes du Niger. Contrairement à ce qui a été dit, que le RDFN avait été créé contre la FN, non. Nous avons constaté que lorsqu'il s'est agi de préparer la conférence nationale, on a royalement oublié la femme. Nous nous sommes dit comment faire pour que les femmes soient représentées partout. Et ça a été fait malgré l'existence de l'AFN. Nous nous sommes dit multiplions les associations féminines. C'est en ce moment qu'on a créé le RDFN, qu'on a créé l'Association des femmes juristes du Niger et bien d'autres. L'ANDDH, RID Fitilla, nous avons créé DLD. Tout ça, c'est pour que, au moins, quand il va y avoir désignation, qu'on puisse désigner des femmes. Donc, en multipliant les associations, on multiplie la représentation féminine. Voilà, en fait, ce qui s'est passé. Et depuis lors, nous continuons à cheminer ensemble. Chaque fois que de besoin, chaque fois que la cause de la femme doit être entendue, vraiment nous cheminons ensemble et nous faisons en sorte d'amener nos sœurs à, su à prendre la relève, d'amener nos sœurs à être conscientes que rien ne s'obstient, tout s'arrache et qu'elles doivent continuer la lutte. Maintenant, s'agissant de la loi sur le quota, je me rappelle à l'époque, nous au RDFN, on était contre toutes euh, sortes de donations aux femmes. Nous nous sommes dit, investissons les partis politiques pour que nous puissions par nous-mêmes quoi être élus, être représentatifs. Mais malgré l'élan que je vous ai dit, on a constaté qu'il n'y a pas de femmes au niveau des instances de décision. Voilà. Et c'est en ce moment que, fort heureusement, ils ont pensé à la loi sur le quota on s'est dit pourquoi pas. <coughs> D'autant plus que c'est une loi transitoire. Et je me rappelle, à l'époque, nous nous sommes toutes mobilisés pour que cette loi soit adoptée. Ok. Madame Aïssata Moukaïla Akarijo, vous avez une réaction par rapport au portrait de Madame Madame c'est une sœur. Je l'ai connue au temps de l'AFC. J'étais à l'opposition avec 29 autres députés. Nous étions 29 par rapport à la majorité. Moi, c'est pour lui rendre hommage. Le président Tanja d'antan et le premier ministre Hamma et la ministre de la promotion de la femme qui, était Madame Fumokoy, c'est leur rendre hommage. Il est vrai, cette loi, c'est une loi discriminatoire, mais quand même, c'est c'est une loi qui va pousser encore les femmes à rentrer dans la politique et à se battre pour avoir des postes. Parce que les femmes ne vont pas toujours rester sur la loi, sur le quota. Il faut qu'elles se battent. Et on a remarqué que malgré leur participation à la politique nigérienne, parce que ce sont les femmes qui font tout dans la politique. Les hommes là que vous voyez, ce sont les femmes qui les défendent. Mais au partage du gâteau, on ne voit pas les femmes. Donc la loi sur le quota, c'est vraiment pour inciter un peu les femmes à participer plus à la politique. Et on va revenir sur la loi sur le quota. Sur ce, vraiment, moi, je ne fais que féliciter et Mme Fomokoy et les responsables au niveau même du président de la République, le président Tanja en ce temps, et le premier ministre Hamma qui ont initié cette loi-là pour la femme. Mais néanmoins, la loi n'a pas marché. Merci, Mme Fomokoy. Ouma Koinan tout d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangu. D'où est venue l'idée du quota Moi, je voudrais dire le système de quota, c'est un système qui est utilisé dans beaucoup de pays. Bien d'autres démocraties que le Niger ont utilisé le quota. Le système de quota, il est universellement reconnu comme non discriminatoire parce que c'est des mesures d'action positive qu'on appelle, donc qui sont là temporairement, qui ont un caractère transitoire. Juste, on les prend pour remédier à un certain moment au déséquilibre homme-femme dans les instances de décision, notamment en politique. Donc, c'est ça l'originalité de cette mesure de quota. Donc, quand on regarde dans beaucoup de pays, la Norvège, la France, ou même au Sénégal, par exemple, donc il y a beaucoup de pays qui ont utilisé, ou souvent dans les partis politiques, ils le font, certains partis, ou bien c'est au niveau étatique. Donc, euh, comme je le disais, euh, je m'étais inspiré, ayant le, le Parlement, je m'étais inspiré du plan d'action et de l'Union interparlementaire pour remédier au déséquilibre hommes-femmes en politique. M'inspirant de ce plan d'action-là, donc on a fait en sorte que le document ne vise pas que les femmes. Donc on dit c'est un quota pour les femmes, mais ce n'est pas pour les femmes. C'est-à-dire ça vise les citoyens de l'un et l'autre sexe. Donc que ce soit les femmes ou les hommes, donc il y a un quota où on ne doit pas aller en dessous. Il y a le plancher qui est là, donc on peut aller au-delà. Donc comme je disais, c'est un caractère transitoire. Donc normalement, ça devrait être vraiment pour un temps très éphémère. Le temps qu'il y ait les rectificatifs pour vraiment s'en passer. Donc, ça ne devrait pas rester. Regardez, aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années. Et si aujourd'hui, on est encore là et qu'on ne respecte même pas le quota, c'est parce que, justement, il a manqué d'action. Parce que c'est vrai, ce n'est pas un quota des femmes, mais celles qui sont les plus discriminées, ce sont les femmes. Donc, elles devraient s'organiser. Ailleurs d'autres, c'est ce qui s'est passé. S'organiser pour faire en sorte qu'on aille à des étapes supérieures. Parce que là, c'est en fait un cheminement pour tendre vers la parité. C'est ça le quota. Mhm.

Et racontez-nous le processus de l'élaboration jusqu'à l'adoption de cette loi. Comment ça s'est déroulé Quand nous avons eu à nous pencher sur ce document-là du plan d'action, nous avons fait le projet, le premier draft que nous avons discuté au niveau de notre département ministériel. Parce qu'avant, je voudrais quand même rectifier que si aujourd'hui on est allé à ça, c'est parce que sous la 4ème République, il y avait un moment où vraiment les femmes avaient beaucoup bataillé dans le front pour la restauration de la démocratie, FRDD. Il y avait eu des batailles parce que la démocratie était à rude épreuve. Et les femmes ont bataillé en même temps que les hommes. Mais vraiment, les femmes étaient battantes. C'est les femmes qui allaient déposer les, demandes. Elles faisaient les sittings, des déclarations au-delà même du Niger, à l'extérieur du pays. Donc, euh, les femmes ont bataillé et les autorités à l'époque avaient dit, en tout cas, lorsque nous viendrons au pouvoir, Inch'Allah, on fera quelque chose pour eux aussi, parce que les femmes ont vaillamment lutté. Sans compter tout le travail que les femmes font dans les campagnes. C'est les femmes qui vont voter, c'est les femmes qui, se mobilisent pour les meetings et otra. Donc, vous voyez, chacun connaît dans son parti l'importance et le rôle de mobilisation des femmes. Donc, quand maintenant, est sous le président Tanja, qui a été donc élu démocratiquement, que j'étais sous la transition de Wanké, donc j'étais au ministère, et quand le président Tanja était venu au pouvoir, j'ai eu l'insigne honneur d'être reconduite. Et maintenant, je me suis dit, bon, voilà, il y a le président Tanja qui est là, Hama Amri qui était son premier ministre, j'ai dit, bon, donc maintenant, le FRDD est là et vous aviez promis l'engagement là, il faut le tenir. Et moi, j'ai dit, je vais faire une proposition de loi. Et en ce moment-là, comme on était en train de faire euh, le code électoral, je voulais le faire et le premier ministre Ahmed m'a dit non, fais une loi. Et j'ai fait cette loi-là en m'inspirant du du plan d'action là. Donc quand on est venu maintenant au niveau du conseil de cabinet, on a fait les débats un débat houleux. Et je vous assure, n'eût été la vigilance et l'engagement du Premier ministre, ça n'allait même pas aller au conseil des ministres. Les ministres là étaient franchement beaucoup, la plupart hein, étaient contre. Et ainsi vraiment le Premier ministre, il a d'une main de fer, il dit ce, texte là il va passer. et c'est comme ça. Leur soutien. Le soutien 100% du Premier ministre. Et, du président. Et du, bon, le président maintenant c'est la seconde étape. Mhm. Donc quand on est venu maintenant en conseil de de, ministre, que le Premier ministre a présenté. Et puis maintenant, bon, le président, il dit c'est très bien, les femmes le méritent. Les femmes le méritent. Il faut que, en tout cas, qu'on adopte ça. Ensuite, amener ça à l'Assemblée, arranger le texte, On a arrangé et on a amené à l'Assemblée avec comme proposition 25% pour les fonctions électives, 25% pour les nominations. Et là, on a fait un débat houleux jusque vers minuit. Et c'était transmis en direct. Et en allant, qu'est-ce qu'on a fait comme stratégie Donc, j'ai vu ma soeur qui était là-bas, c'était la seule. Évidemment, 100% elle a soutenu. Maintenant, il fallait voir aussi les députés. Donc, euh, j'ai aussi approché les députés aussi bien des positions que la majorité, comme le dit Savo, ce n'est pas une affaire de, majorité ou d'opposition. Donc, c'est des avis, c'est des débats. Évidemment, il y en a qui sont très progressistes et qui soutiennent. Et je vous assure, il y en a qui ont vaillamment soutenu parmi les hommes. Elle, évidemment, c'est un acquis, c'est sûr et certain. Elle l'a fait vraiment, elle l'a fait. En tout cas, j'étais très fière de ma soeur. Et les hommes aussi, beaucoup ont bataillé et ils ont défendu. Bien entendu, il y avait beaucoup de camps adverses, des gens qui avaient vraiment d'autres positions. Et au au finish, quand on a fait le débat, j'ai oublié que j'avais aussi invité mes sœurs de la société civile, des partis politiques. Alors leur dit, c'est tel jour que nous allons aller, donc venir soutenir. Elles étaient nombreuses, les femmes. Elles étaient venues soutenir. Et moi, j'étais tellement contente d'être soutenue par mes sœurs. Donc, elles étaient là. C'est les militantes qui sont là, qui regardent leurs députés. Et ça aussi, c'est important. Ça a influencé. Mais bien sûr. Donc, c'est sûr et certain. Et sans compter que c'était en direct à la télévision. Là où le peuple est là, en train de regarder ses représentants. Qui va voter, qui ne va pas voter quelle est la de l'un ou de l'autre. Les femmes aussi sont en train de regarder parce que c'est qui qui vote C'est les femmes qui votent. En tout cas, la grande majorité, les votantes, c'est les femmes. Donc, vous voyez, et c'est comme ça que le débat a été mené. Et pour les 25%, c'était OK pour les fonctions de nomination. Mais ils ont ramené pour les fonctions électives, évidemment, comme c'est eux qui sont concernés, les hommes, comme c'est eux les députés, c'est eux qu'on élit. Il y en a qui disent, même si c'est 100% que vous voulez, allez-y pour les fonctions de nomination. Mais pour les fonctions électives, là, on maintient 10%. Vraiment la mort avant d'aller à l'Assemblée 25-25. C'est comme ça qu'on l'a amené. Mais la mort de l'âme, vraiment, j'étais tellement mécontent. J'ai dit, on va revenir. Inch'Allah, on va revenir. Et quand même, c'est un premier pas, c'est important. C'était passé. Donc, c'est vraiment une loi qui est passée, même si c'est un caractère transitoire, justement. Donc, on allait revenir progressivement pour, aller de l'avant. Donc, c'était ainsi que les choses se sont passées. <laughs> Merci. Nous allons revenir vers vous le temps de prendre Madame Aïsata Moukaila. Comment s'est déroulé le débat ce jour-là Dans quel climat, quelle était l'ambiance Bon, avant d'arriver au débat, il faut dire que moi, je suis même tombée malade. En tant que seule femme députée à l'Assemblée nationale sur 83, dans les réunions interparlementaires, dès qu'on arrive le Niger, c'est une seule femme qui est au Parlement. On me montre du doigt. À l'international, on dit une seule femme, on dirait que nous ne formons pas plus de 51% de la population nigérienne ici. Donc, euh, j'étais en mission, ça c'est une parenthèse, concernant cette loi. J'étais présidente de la commission sociale. Ma commission a voté non. Parce que les commissions donnent leur avis. Quand je suis revenu, j'ai dit, oui, l'avis de la commission. Je non, je ne peux pas être présidente d'une commission sociale et puis un projet de loi relatif au quota des femmes, vous allez mettre non, on rebelote. Ah non, madame la présidente, c'est fini. Non, non, non, c'est pas fini. Ramenons ça. Mm. C'est en ce moment qu'ils ont mis avis favorable. Bon gré, malgré Comme elle l'a dit, ça a été très houleux, très houleux. Malgré la participation des femmes à l'étage parce qu'elles n'ont pas droit à la parole, elles ont droit seulement à écouter écouter les intervenants, mais quand même, il faut dire qu'il y a des hommes féministes aussi, mais ils sont peu nombreux. Et avant d'arriver à cette loi, même sur le quota, moi, j'avais <coughs> convoqué une réunion des femmes candidates, futures candidates à l'Assemblée. Lui, il est là présent. Il me dit, mais c'est un défi. Toi seul, tu vas faire une réunion d'ici. J'ai dit, mais honorable Sabo, le défi, là, on va le relever ensemble. Nous sommes tous des députés. <laughs> C'est en ce moment qu'on a fait ce, cet atelier-là. Et quand on a fini cet atelier, on a rencontré le premier ministre Hamama. C'est en ce moment que la parlementaire, première dame du Bénin, dit Mais monsieur le premier ministre, mais ça, ça ne va pas. On dirait que le Niger n'a pas de femme. Qu'est-ce qui s'est passé, madame la présidente Non, une seule femme au Parlement sur 83. Le premier ministre d'Antaha Mamadou disait Ah, c'est un accident de parcours, on va corriger. C'est en ce moment qu'elle a mis <laughs> madame Fumokoy dans l'affaire pour arriver en tout cas à ce projet de loi. Mais ça a été très houleux, comme elle a dit. Et ça a mis du temps, moi, à ma contribution, quelle que soit la prise de parole que je ferai, qu'est-ce que ça va aboutir Une seule. En tant que seule femme à l'Assemblée, comment est-ce que... vous avez accueilli cette loi-là Cette loi, nous, c'est notre ah vœu. C'est notre vœu. Nous, on allait même euh, voter, nous, on pensait que nos frères ou nos maris ou bien nos cousins, hommes, allaient quand même voter avec nous, les 25%. Mais à notre grande surprise, comme ils sont des gourmands, ils n'ont pas voulu quand même, <laughs> n'ont pas voulu quand même voter les 25%, ils ont ramené ça à 10%. On a dit Dieu merci. On va revenir là-dessus un bon jour. Mais ça a été vraiment houleux. Mais grâce à la participation des femmes à l'état de là, ils ont contribué, les femmes, tant urbaines que intellectuelles et autres là, elles ont vraiment contribué elles aussi. Et comment vivez-vous le fait d'être la seule femme députée à l'Assemblée en ce moment-là C'était gênant, c'était gênant. Même euh, au sein des commissions, j'étais la seule. Quel que soit l'apport que je c'est insignifiant. Une femme parmi tant d'autres, au niveau des commissions, au moins 15 ou 12 membres, une seule. Dans d'autres commissions, il n'y a personne, ce sont des hommes. Donc, elles donnent leur avis comme bon leur semble c'est pas facile. Ça n'a pas été du tout facile. Mais il faut féliciter quand même ceux qui ont mis cette loi-là. Le président Tanja, le premier ministre Hamadou, en son temps et la ministre Fumoko aussi. Ça, il faut les saluer. Mais jusqu'à présent, cette loi-là, c'est une loi sur les papiers. Personne ne respecte. Monsieur Sabo Seydou, vous étiez député à l'Assemblée nationale à l'époque et vous avez défendu la loi. Pourquoi et comment Il faut d'abord savoir ma provenance syndicale. Donc, nous, on est pour le progrès. On a toujours en mémoire un certain nombre d'exemples, si vous voulez, de références concernant certaines luttes qui ont abouti justement à ces quotas-là. Vous savez, aux États-Unis, on parle de discrimination positive suite à la lutte des Noirs américains. On a en mémoire aussi la lutte en Afrique du Sud. Certainement le Rwanda, c'est lui qui a le plus de femmes au Parlement. Mais l'Afrique du Sud, je crois qu'elle n'a rien à envier, en tout cas par la participation des femmes au Parlement sud-africain. Pourquoi Parce que tout simplement la lutte euh, politique en Afrique du Sud durant l'apartheid, c'est essentiellement les femmes. Vous savez le nom de la regrettée, Winnie Mandela. Si vous allez même dans d'autres pays comme la France, les femmes, c'est en en 46 que les femmes ont obtenu le droit de vote. Pourquoi Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'était pratiquement, c'était les femmes qui dirigeaient le pays concrètement, c'est-à-dire le travail. On est au courant. Mais maintenant, concrètement dans notre pays, vous savez, bon, euh, vous ont rappelé le 13 mai, 91 là, ça a été pour nous au niveau du syndicat. On menait tout, on ne s'est pas rendu compte en fait de la bêtise qu'on était en train de faire. <laughs> oui, parce que nous-mêmes les syndicats, voilà, on n'avait pas de femmes. Tout progressiste qu'on est, on a complètement oublié et c'est la manifestation du 13 qui nous a rappelé ça et je crois qu'au niveau des syndicats, on a été les premiers à promouvoir ça. Donc il y a ces fêtes-là. Et puis l'expérience d'homme politique. Ce que vous ont dit là, c'est ça. Dans les campagnes là, l'électorat il est essentiellement féminin. Du moins moins, ce sont les femmes qui sont les vraies militantes pour faire voter. Ah oui, les plus fidèles et puis celles qui font le travail. Bon, maintenant, euh, c'est ça qui fait que l'un dans l'autre, j'étais pour. Vraiment, ça transcendait le truc de parti, de machin, de, de majorité, opposition, etc. Comment les autres députés percevaient-ils votre position euh, Vous savez, euh, dans ça, là, moi, j'ai divisé les choses en, en plusieurs catégories. Vous savez, l'histoire des 10%, c'est un réflexe, je dirais, corporel parce que les gens voyaient leur siège. Si j'accepte que ça soit à 25%, <laughs> je vais perdre mon siège. Ça, c'est un machin à garder. Je dirais c'est humain. Mais maintenant, vous avez des gens qui avaient une mauvaise compréhension, très mauvaise compréhension, soit de manière consciente, se cachant derrière, euh, si tu veux, des arguments religieux, soit de manière aussi consciente ou inconsciente, se, confinant derrière des, visages usages euh, dits traditionnels, ou des pratiques culturelles dites traditionnelles. Parce que c'est aussi, que ça soit au niveau religieux, que ça soit au niveau euh, culturel, là, c'est sujet à caution. Parce qu'il y a autant d'aspects religieux qui te montrent que les femmes peuvent, autant maintenant tu peux avoir des pratiques ou des machins religieux qui te montrent que les femmes ne peuvent pas. En fait, c'est ton inclination qui te fait choisir au niveau de la femme ce que tu veux dire. Ça pas la religion. Parce que dans la religion, il y a beaucoup de pratiques. Ça, c'est un petit détail. Maintenant, on a eu la chance que le débat, quand même, n'a pas été perverti par des arguments vraiment dits haut et fort, du genre, c'est l'histoire de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans ce pays-là, dès qu'on veut, c'est une question de société, dès qu'on veut perturber un débat, ou en tout cas neutraliser, on vous brandit l'histoire, c'est le code de la famille, c'est les histoires des Yehudawa, c'est les histoires des Kafres. Bon, il n'y a pas eu tellement ça à l'époque. Mais vraiment, il y a eu ces prochains et puis maintenant, finalement, on s'est entendu. Est-ce que la loi sur le quota a fait l'objet de consignes des partis politiques à la... En tout cas, je n'y ai eu consigne. Ah oui, au niveau du PNDS, il y a eu consigne à l'époque. Tous les autres partis ont des consignes. C'est-à-dire, vous savez, <laughs> l'histoire des partis au Niger, c'est que bon, il y a des choses qui sont tellement évidentes au niveau des partis politiques. Bon, tu ne peux pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dire non contre ça. C'est des choses évidentes. Mais tu peux avoir une base qui est très rétif contre ça. Et généralement, généralement, quand ta base très rétif et très majoritaire, tu recules, tu ne dis rien, parce que tu sais que ça, c'est la vérité et que tôt ou tard ça va revenir et que si on te prend comme étant celui qui s'est opposé à ça, ton machin n'est pas garanti. Quoi. Et Madame Barry ce jour-là, vous étiez dans le public venu écouter les débats parmi beaucoup d'autres femmes. Qu'est-ce qui vous a frappé ce jour-là Vous <laughs> étiez choquée, ça vous a Oui, absolument. Euh, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on était frustrés parce qu'on était perché de là-haut. Mais comme on était toutes décidées, on est quand même resté à notre place ce qui est choquant surtout, c'est que les débats ont tellement duré qu'on est allé au-delà de minuit. Mais les femmes ne se sont pas démotivées. Elles sont restées jusqu'au bout, jusqu'à ce que la loi ait été votée. Voilà euh, ce que je retiens. Maintenant, pour revenir sur cette loi, c'est pour dire que c'est une loi tellement révolutionnaire parce que à l'époque où le Niger a osé adopter cette loi, même la France n'a pas euh, pris la loi sur la parité. Vous comprenez Donc comment se fait-il qu'à l'époque, la 5 République elle a eu le courage de voter une telle loi et que jusqu'à présent, nous sommes encore à revendiquer la parité. C'est qu'il y a un problème. C'est une volonté politique qui manque. C'est là où je vais rendre un hommage assez mérité au président Tanja. Le jour où on nous a fait le coup d'État, il était encore en train de défendre les femmes parce qu'il y a eu une série de nominations. Il a dit arrêtez. Revenez parce que le quota n'a pas été atteint. Il dit il n'est pas question qu'on ne trouve pas des femmes à tous les niveaux. Pour vous dire son engagement. Et mieux, nous avons ramené justement cette loi sur le quota pour qu'on aille à la parité. Le président Tanja avait accepté sans problème. Mais comme elle l'a dit, il y a eu tellement de discussions. Madame Barry, vous voulez nous créer des problèmes. Où est-ce que vous allez trouver des femmes pour meubler ces 50% Il dit, bon, on va aller au moins à 30%. Le président Tanja avait accepté les 30%. Malheureusement pour nous, il y a eu cas de force majeure parce qu'il y a eu coup d'État et on n'a pas eu 30%. Et maintenant, on est jusqu'à présent à 15%. S'il vous plaît, regardez le recul que le Niger a fait. C'est un recul pour moi. Et Vraiment, j'en appelle à la conscience de tous les politiciens, comme femme pour qu'il y ait une rétrospective pour voir devons-nous avancer ou reculer. Il faut que nous avancions. Et pour avancer, on ne peut pas faire ça sans la femme. Madame Fumakoy, vous étiez d'abord députée avant d'être ministre en charge de la promotion de la femme. Est-ce que votre connaissance des rouages parlementaires a joué en faveur de l'adoption de la loi sur le quota Bon, <laughs> j'avoue que c'était quand même au milieu, le milieu parlementaire. J'avais des camarades avec qui on était et qui sont revenus. Donc vraiment, j'avais des camarades dans tous les camps et vraiment j'étais à l'aise pour savoir comment il faut œuvrer parce qu'il faut quand même avoir les, députés avec soi. Et vraiment, j'ai usé de ces stratégies-là et j'ai usé de ces connaissances parce qu'on a cheminé ensemble, on a travaillé ensemble et vraiment, ça a quand même facilité. Donc euh, c'était ça que je voulais dire. Mais je pense que comme les uns et les autres ont dit, cette affaire de loi sur le quota, ça arrange tout le monde parce que vraiment, ce n'est pas que l'affaire des femmes. Et vous voyez, et comme l'ont si bien souligné, les femmes représentent plus de 50% de la population. Les femmes sont des battantes, elles œuvrent partout et il n'y a pas de raison à ce qu'on dise que le cheminement se fasse sans elles et qu'elles soient à la traîne. Donc euh, vraiment, même le quota qui a été retenu là, c'est vraiment infime et ça devait avancer. Et comme mesure d'action positive transitoire, ça devrait avoir vraiment dépassé. Et, malheureusement, même ce qui est là, là, euh, ce n'est pas encore respecté. On fait comme le plancher là, c'est le plafond et même ça, ce n'est pas respecté. À plus forte raison, aller au-delà. Donc, il y a quelque chose à faire pour que ça bouge. En plus du soutien des deux plus hauts responsables du pays, quelle a été votre stratégie pour convaincre les réticents Il y a la mobilisation des femmes, comme je l'ai dit. Et puis, bon, les femmes ont vraiment bataillé aussi. Parce que j'ai dit, c'est vraiment le fruit des luttes des femmes. Parce que les femmes étaient là. Elles étaient en tout cas tout le temps aux aguets. Les structures associatives étaient allées voir aussi le président pour insister que lors d'un mouvement, donc tout à l'heure, Zara le disait. Donc, euh, il y a tous ces éléments-là. Et puis, bon, n'oubliez pas comme elles étaient venues nombreuses là et qu'elles suivaient et que même à la télévision aussi, tout le monde suivait certainement les femmes. Le jour-là, elles étaient devant leur télévision. C'est extrêmement important. Bien que euh, on n'ait qu'une seule femme à l'Assemblée, quand même, elle était là. Mais, comme euh, Sabo l'a dit, c'était vraiment une question vraiment qui dépasse le niveau des sexes. Donc, vraiment, c'est une question qui concerne toute la société, homme ou femmes. Donc, et c'est une question aussi de logique. On ne pouvait ne pas soutenir cette loi. Comment avez-vous défendu cette loi en tant que ministre Bon, en tant que ministre, j'ai fait ce que je devrais faire. C'est mon département. C'est une loi qu'on a initiée, donc il faut la défendre et c'est quand même une loi qui devrait venir, en tout cas à juste titre, remédier à la situation qui prévalait, celle de rehausser la représentation des femmes au niveau des instances de prise de décision. J'étais en tout cas surtout encouragée par la volonté politique des autorités et au premier rang desquelles donc euh, le président et le premier ministre, en tout cas, qui avaient eu de leur engagement pour euh, amener l'équipe à être derrière cette loi. Donc, et ça a passé. Et vraiment, quand j'avais cette fierté-là, il fallait donc euh, nanti de ce soutien des autorités que je vienne défendre la loi et que vraiment faire en sorte que ça puisse passer. Donc, fort heureusement, on a eu du côté de l'Assemblée euh, le soutien requis. C'est passé, même si par ailleurs, malheureusement, il y a ceux électifs qui ont été rabaissés à 10%. Mais il fallait revenir, il fallait chercher à aller de l'avant. Donc c'était une lutte qui devrait continuer et qui pouvait en tout cas aboutir si on s'organisait davantage. Madame Moukaïla Takarijo, que pensez-vous de l'application actuelle de la loi sur le quota Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la loi sur le quota n'est pas respectée à tous les niveaux dès au départ. Mais il faut quand même remercier le bon Dieu. Après le vote de la loi sur le quota, au lieu d'avoir une seule femme, au prochain Parlement, on est arrivé à 15. En gré malgré, on est arrivé à 15. Aujourd'hui, peut-être que je ne connais pas le nombre, mais ça atteint au moins 25, 20 ou 25 sur 171. Donc, euh, Vraiment, il faut remercier le bon Dieu et il ne faut pas se décourager aussi. Les choses vont avancer, Inch'Allah. En tant que présidente de l'AFN, est-ce qu'il vous arrive d'interpeller les autorités quand la loi sur le quota n'est pas respectée Bon, l'AFN est tombée dans une léthargie totale. C'est maintenant qu'on essaie de relancer ça. Parce que c'est une association apolitique, mais les gens pensaient que nous jouons la politique du MNSD, alors que ce n'était pas ça. C'est pour cela qu'on a mis du temps à revoir ce que les autres associations vont faire mieux que nous. on s'est dit que jusqu'à présent, on n'a pas vu les associations qui ont travaillé mieux que nous. Donc, il est temps de relancer cette association et que les femmes soient unies. Parce qu'avec l'union des femmes, on peut tout avoir. Mais tant que les femmes ne seront pas unies, ça ne va pas. Madame Barry, que pensez-vous de l'application actuelle de la loi sur le quota <laughs> Vous savez, hein, ils l'ont tous dit. Il n'y a pas d'application effective même lors des dernières nominations, moi j'ai dit aux femmes, euh, écoutez, la loi sur le quota n'a pas été respectée. Mais notre problème, c'est que nous nous contentons seulement de dénoncer. La loi nous a fait une ouverture. C'est celle d'aller devant le juge et on ne l'a jamais fait. Il faudra qu'un jour, on se mette d'accord et qu'une fois que les nominations, fin de fin, Quelles sont les voies de recours possibles pour faire respecter la loi D'abord, euh, comme on dit, on fait un recours euh, gracieux. Si maintenant l'État n'obtempère pas, on va devant le juge. Il y a un certain nombre de délais qu'il faut respecter. Quatre mois après, s'il n'y a pas de réponse, on considère que c'est un non et on va déférer la loi devant le juge constitutionnel. Et la loi a prévu. Ce qui a d'ailleurs fait en sorte que, au niveau des candidatures, même avant, non seulement il n'y avait pas de femmes, mais elles n'étaient pas bien situées sur la liste. Et à l'époque, je me rappelle, c'était Abba Issoufou qui était président de la Cour constitutionnelle. Il a exigé et il rejetait systématiquement les dossiers où il n'y a pas de femmes, ou si les femmes ne sont pas bien positionnées. Voilà, bien positionnées sur la liste. Voilà comment on a fait au début, en tout cas. Et comme elle l'a dit, c'est vraiment une volonté politique affichée, affichée qui fait en sorte que la loi soit respectée. Il faut rendre un hommage au Premier ministre à l'époque qui a tenu, non seulement il lui a demandé, mais il l'a soutenu. Et ça, c'est vraiment faire preuve d'un engagement. C'est vrai que hein, quand il promet, il fait. Monsieur Sabo Seyd, vous avez défendu la loi sur le quota à l'Assemblée. Est-ce qu'au niveau de votre parti, vous veillez à ce qu'elle soit appliquée À l'époque, on était dans l'opposition. Le temps qu'on arrive au pouvoir, on m'a exclu, donc je ne suis plus là-bas. Bon, donc ça, c'est un petit détail. Quand on était dans l'opposition, quand on faisait nos listes, vraiment on veillait à ça. Veillait à ce que ça soit sur les listes respectées, que ce soit au niveau liste nationale concernant les, les élections législatives, que ça soit au niveau des listes, euh, au niveau des élections communales. Et euh, je crois que, comme l'a soulevé tout à l'heure Mme Barida, au niveau de, la Cour constitutionnelle, ils ont beaucoup aidé à ce que cette loi soit appliquée, notamment avec euh, Abba comme président, mais surtout avec Madame Vazey. Il y a des raisons, il y a d'autres raisons qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de listes ont été invalidées, mhm. mais il y a surtout toutes les listes qui ont été invalidées. La plupart, c'est pour le fait que le quota n'a pas été appliqué. Ça pas une question en début de liste. Ici, les partis, il y a certains partis qui poussent la mauvaise foi jusqu'à ce que sur la liste, tu sais, il y a titulaire, il y a mhm. suppléant. Comme on a dit, c'est le quota. C'est le, le nombre là qu'il faut appliquer. On fait un maximum de titulaires qui soient hommes et un maximum, de <laughs> femmes Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est une façon. Et puis, il y a beaucoup d'autres façons qui se font euh, de telle sorte que, bon, on n'arrive pas à, faire respecter ça. Elles ont soulevé la question de l'appui politique. C'est important c'est vrai. Mais l'appui politique, il faut qu'il s'appuie aussi sur euh, des citoyens qui sont conscients et qui font les démarches nécessaires pour que leurs lois ou leurs droits soient respectés. Ici, euh, par exemple, c'est une hypothèse, c'est une possibilité. Ça s'est fait déjà. Ça se fait dans beaucoup de pays. Si partout, il y a les femmes qui s'organisent dans les différentes institutions, dans les différents ministères ou dans les différents services, pour veiller à ce que lors des nominations, là, le quota soit respecté. Si tu ne le respectes pas, on te dénonce. Si on te dénonce, tu ne t'en perds pas. On au machin gracieux là. Si euh, au machin gracieux tu ne fais pas, on va au tribunal. Madame Foumakoy, 18 ans après l'adoption de la loi sur le quota, quel bilan peut-on <laughs> faire Vraiment, moi ce que je peux dire, c'est vrai, il y a eu des avancées, c'est indéniable, il y a eu des avancées. Mais je me dis que beaucoup reste à faire parce que l'application n'est pas effective. Il faut que la loi soit respectée. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un décret d'application. Quelques mois après l'adoption de la loi, là, juin 2000, en février 2001, elle a été assortie d'un décret d'application qui prévoit le recours en cas de non-application. Et malheureusement, on n'en fait même pas cas. Et pire, on le respecte alors que le recours est là. Aujourd'hui, s'il y a le recours à faire, c'est au niveau du, Conseil d'État. Et vraiment, il faut que les intéressés prennent un avocat, tout ça là pour faire en sorte que ça marche. Malheureusement, tout ça n'est pas fait. Je me dis que c'est vrai, la loi sur le quota ne concerne pas que les femmes, c'est aussi bien les hommes que les, femmes. Donc on dit les candidats, l'autre sexe, les citoyens, et l'autre sexe. Mais comme c'est les femmes qui sont discriminées, c'est elles qui devraient s'organisent. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi. Il faut que, pas à pas, que les choses se fassent. Au lieu que les femmes attendent après coup pour réagir. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire en amont. Il y a des stratégies que les femmes devraient développer. Malheureusement, il n'y a pas de cette cohésion, il n'y a pas de, de, cette solidarité entre les femmes, il n'y a pas de stratégie d'organisation. Les femmes, il faut reconnaître que le mouvement là, en tout cas, il s'est imité. Les femmes n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et les clivages politiques, il faut le reconnaître, sont là pour faire en sorte que les femmes ne se mettent pas ensemble, ne s'organisent pas pour défendre la cause. Donc c'est ça qu'il faut faire si vraiment on veut aller de l'avant. Le combat est là et les droits s'arrachent. Pour que ça marche, il faut que les femmes s'organisent et que vraiment elles s'arrachent parce que les droits ne se donnent pas et s'arrachent. Madame Aïssa Moukaïla, quelles sont les solutions possibles pour atteindre la parité à votre avis Elle a tout dit. Il faut quand même que les femmes s'organisent, que les femmes soient unies, que les femmes se battent aussi. Je ne dis pas coup de poing, je ne dis pas ça, mais il faut quand même que les femmes s'unissent à défendre leur cause. Et Maître Barry l'a dit, la ministre il y a des textes, il y a le décret d'application. Il faut quand même tenir compte de ça. L'Union des femmes fait la force. Et puis quand même qu'on applique les textes aussi. Mhm. C'est l'application des textes. c'est de la loi. Oui. Madame Barry. Bon, ce que j'ai ajouté, en plus de ce que mes deux sœurs, Madame Fumakoy et Madame euh, Mukaila, ont dit, si, moi, je persiste à le dire, hein, si déjà, hein, en 2000, des politiciens ont tenu parole parce qu'ils ont vu la mobilisation des femmes, pourquoi ne pas réitérer cela Lorsque ils ont fait passer les 15%, c'est-à-dire, on nous a donné un peu 5%, quoi. Le jour-là, j'ai dit aux femmes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quoi 5 sur 50,14% de la population. Donc, il faudra que nous soyons solidaires, que nous nous mobilisions et que cette fois-ci, que nous imposions aux politiciens <coughs> la question de la parité. Vous votez la parité, on est avec, on va se mobiliser pour voter pour vous. Si vous ne le faites pas, alors on va regarder ailleurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je persiste à dire. Et je suis sûr que si nous avons pu obtenir en 2000, nous pouvons réitérer la même chose. Bien que malheureusement, on l'a constaté. Vraiment, l'élan là, c'est émoussé. Mais nous essayons de faire en sorte que les femmes du Niger se réveillent, que nous ayons l'élan de 1991 quand tout ensemble nous avons convergé vers la primature parce que on nous a oubliés. Donc faisons en sorte que les hommes se remémorent de nous et que par notre force nous puissions nous imposer. Merci. Quelles sont vos suggestions, Monsieur Sabo Je suis d'accord avec euh, ce qu'on dit, c'est-à-dire une loi, une fois qu'elle est votée, c'est un, pan. Le, plus important, c'est le suivi. Le suivi, il est au niveau politique, mais le suivi, il est surtout au niveau des citoyens. De deux, je pense qu'il faudrait que euh, cette question-là, qu'on élargisse vraiment des questions qui touchent à la femme nigérienne, des questions qui concerneraient aussi beaucoup d'autres femmes. Vous savez, les femmes, ce n'est pas seulement la manière manifestation, c'est un pan. Mais il y a d'autres formes de lutte que les femmes peuvent initier Mm. qui peuvent beaucoup influencer le politique. Je pense que c'est un peu ça vers qu'il faut tendre. Et je crois que la perspective que Dresse, la grande sœur, la AFN, élargit maintenant à tous les euh, mouvements féminins qui existent au Niger, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Bon, abstraction fait, des clivages politiques qui en réalité n'en sont pas. Je ne sais pas si tu vois. <laughs> il y a des clivages politiques qui ne sont pas des clivages politiques. Dans d'autres pays, les clivages politiques, c'est des choses sérieuses. Dans ces pays-là, les clivages politiques, ce n'est pas sérieux. Donc, euh, abstraction fait de ça, il y a un certain certain nombre de promis qui touchent à la femme nigérienne et qui peuvent mobiliser les femmes. Je vous remercie. La loi sur le quota est une mesure transitoire qui a permis de booster le nombre de femmes aux instances de décision du pays. Malgré les avancées significatives, force est de constater que la situation de la femme n'est guère reluisante parce qu'au niveau des postes nominatifs de gouvernement, de préfet, de département, de secrétaire général, de conseiller, de directeur général, de directeur central, de président du conseil d'administration des entreprises publiques, etc., le quota n'est toujours pas respecté. Nous sommes au terme du forum du studio Kalangu qui a porté sur le quota. Nous étions avec Madame Fuma Kouinana Aïchatou, ancienne ministre de la promotion de la femme qui a initié la loi sur le quota. Madame Mukaila Aïssata Karigyo, ancienne députée nationale. Monsieur Sabo Seydou, ancien député nationale. Madame Bari Bibatanyandou, juriste, avocate, ancienne ministre et militante de la cause des femmes. À la présentation, Balkisa Amidou, merci d'avoir été did and